Le forum du studio Kalangou. Le forum du studio Kalangou. Le forum du studio Kalangou. Le forum du studio Kalangou. Le forum du studio Kalangou. Le forum du studio Kalangou. Le forum du studio Kalangou. Le forum du studio Kalangou. Le forum du studio Kalangou. Les dix huit heures quinze minutes à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Journée de la Concorde au Niger. Quelle avancée significative depuis la signature des accords de de 1995. Le Niger a célébré le 24 avril dernier la journée nationale de la Concorde marquant le 24e anniversaire de la signature des accords de paix entre l'État et les mouvements armés du Niger. Le gouvernement nigérien a en outre signé d'autres accords de paix à Alger avec le Front de l'Union des forces de la résistance armée le 23 novembre 1997 et à N'Djamena avec le Front démocratique pour le renouveau le 21 août 1998. Avec euh, nos invités, sans chercher à remuer le couteau euh, dans la plaie, nous allons chercher à savoir ce qui a marché ou qui n'a pas marché et ce qui reste à faire dans l'application du contenu de ces accords. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Rissa Agboula, ancien chef rebelle du Nord, un artisan de la signature de ces accords de paix. Rissa Agboula, bonsoir. Bonsoir. Issa Lamine, ancien chef rebelle du côté du sud du Niger. Issa Lamine, bonsoir. Bonsoir. Madame Ibrahim Zara El Haj El Mamadou, dite Ali présidente de l'Association des femmes nigériennes contre la guerre qui participe au téléphone depuis Agadez. Madame, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également invité la haute autorité à la consolidation de la paix, mais malheureusement aucun représentant dans ce studio. Au micro, Mokhtar Hamadou. Rissa Agboula, résumez-nous ce qui vous a poussé à prendre les armes dans le nord euh, du pays. C'est une grande question, en fait. Euh, vous savez, euh, le Niger a, connu une grande évolution depuis 1960 jusqu'à nos jours. Et entre-temps, il a connu des situations de pouvoir militaire qui dit militaire, donc, euh, dit euh, un pouvoir euh, autoritaire. Donc, c'est au cours de ce pouvoir autoritaire militaire que certains comportements ont amené une partie de la communauté nationale à se rébeller contre ce comportement, contre en tout cas cette gouvernance et c'est ce qui nous a amené à une certaine époque donc, euh, de prendre les armes contre la République. Rissak Boula, avec euh, le front de la rébellion de l'Aïr, vous avez personnellement participé aux pourparlers qui ont débouché sur la signature d'un accord de paix définitif. Euh, quels étaient les points contenus dans cet accord Oui, donc après ce conflit a été donc clôturé par un accord de paix global qui a été signé euh, le 24 avril 1995, ici même à Niamey. Euh, cet accord s'articule autour de trois grands points. Le premier point, c'est euh, le premier chapitre, de cet accord, c'est la, décentralisation, donc qui a connu aujourd'hui une avancée importante la mesure où nous avons le pilier municipal qui est OK, et les, les piliers régionaux qui est ok Donc, euh, c'est une réalité importante aujourd'hui, donc euh, la, décentralisation au Niger. Le deuxième chapitre de cet accord de paix, c'est l'intégration euh, des ex-combattants dans le, dans le corps habillé de l'État, ce qui a connu aussi une avancée importante. Un nombre important donc, des ex-combattants et des ressortissants des zones touchées par des conflits ont été intégrés dans les forces armées euh, les forces paramilitaires et dans tous les corps habillés de l'État. Le troisième chapitre, c'est la réinsertion. Cette, étape aussi a connu un démarrage important, euh, malgré quelques retards, donc euh, ça a été donc, satisfaisant dans l'ensemble. Voilà les trois grands, grands chapitres, les trois grands points qui constituent l'accord de paix de 1995. Monsieur le ministre Rissak après ces accords en 2007, il y avait eu une autre rébellion qui a sévi dans le nord du pays, le MNJ. Oui, euh, il y, a eu, une autre rébellion qui a repris les armes euh, en 2006-2007. Mais euh, à mon avis, cette rébellion, ce n'était pas à cause des faiblesses de l'application des accords de paix de 1995 qu'elle a pris les armes. C'était autre raison. Et ces raisons-là, donc, euh, je crois que les dirigeants de cette époque-là, de cette rébellion, ont eu à le dire à plusieurs reprises. Mais pour ma part, j'estime que ce n'était pas parce que les accords de paix n'étaient pas appliqués qu'ils avaient repris les armes. Monsieur le ministre Rissak qu'est-ce qui reste à faire en termes euh, d'application euh, de ces accords euh, Aujourd'hui, je peux dire qu'il ne reste pas beaucoup à faire. Il n'y a rien à faire, il ne reste rien du tout. Vous êtes satisfait C'est-à-dire que dans l'ensemble, compte tenu des moyens de l'État nigérien, compte tenu donc de, de, de faiblesses économique euh, de notre pays, euh, on peut dire qu'en tout cas, euh, dans l'ensemble, les accords de paix ont été bien appliqués. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. après 24 ans, je pense qu'il faut tourner cette page. Et, aller de l'avant et aller dans l'avant donc construire notre pays. Et on ne doit plus revenir sur soi-disant des clauses qui ne sont pas appliquées tout ça là. Nous venons de fêter la, Concorde, la fête de la Concorde, la fête nationale à Tintabaradan. Nous avons fait donc les bilans à chaque édition de cette fête de la Concorde. On fait le bilan. Il reste en tout cas positif, il reste en tout cas important pour que les Nigériens euh, tournent cette page du conflit pour qu'ils aillent de l'avant. Issa vous étiez un des acteurs de la rébellion Toubou. Quelles étaient vos motivations Les motivations sont presque le même parce que d'abord, l'EFDR, avant d'être au site, était au nord avec euh, le ministre Rissa. Donc, euh, vous savez que le Niger, dans les années 80 et 90, n'avait pas le même niveau d'intégration sociale que maintenant. Et comme l'a dit, il y avait eu des brutalités donc, euh, dans certaines communautés, particulièrement nomades qui ont créé des frustrations. Et ces brutalités ont poussé donc les gens à, des révoltes. D'abord euh, les jeunes, donc euh, qui n'étaient pas du tout contents de ces frustrations, de ces violences, qui ont été d'une manière générale euh, étendues à l'ensemble des communautés, donc sont allés à l'étranger. Donc ils ont mûri les réflexions ils se sont engagés donc euh, dans cette voie de, révolte armée. Et donc c'est comme ça qu'ils sont revenus au Niger et donc euh, prendre les armes. Et fondamentalement, euh, donc c'était donc lié à, à, des époques bien précises et à des comportements que les nomades, même aujourd'hui, n'accepteraient pas. Et heureusement, disons qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de traitement à l'égard des nomades. Est-ce que ce sont là les fruits de la démocratie Bien sûr, on peut le dire. C'est les fruits de la démocratie. Parce que depuis le multipartisme, il y a eu beaucoup plus d'intégration, il y a eu beaucoup plus de démocratie. Et il y a eu une forte intégration dans les différents partis politiques. Aujourd'hui, il n'y a pas un parti ethnique, il n'y a pas un parti d'une région. Et donc, vraiment, c'est des choses, à mon avis, qui ont beaucoup contribué à la, stabiliser et à la stabilité et en tout cas à la quiétude euh, sociale. donc euh, cette démocratie a donc contribué à des climats d'apaisement et de compréhension mutuelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stigmatisation sur le territoire nigérien Non, bon, je ne pense pas, parce que là, s'il y a des stigmatisations, euh, vous allez les, les sentir et les entendre. Donc je pense que pour le moment, il n'y a pas de stigmatisation comme j'ai dit, il y a beaucoup plus d'intégration parce que ce qui est le plus mauvais, c'est l'isolement. Quand chacun est dans son coin, dans sa zone, donc euh, avec d'abord le problème de sous-développement, et quand il sent que lui, il n'est pas dans les affaires, il a l'impression qu'il est abandonné et que c'est les autres qui sont en train de profiter et que lui, il est abandonné. Donc, il peut sentir un sentiment d'injustice. Bon. Aujourd'hui, donc, euh, je pense que d'abord, il y a une politique nationale d'intégration de toutes les communautés, que certains ne se sentent pas marginalisés. Donc cela est bien pris en compte dans tous les partis, que ce soit les partis au pouvoir, les partis de, à l'opposition. Vraiment de tous ces, partis politiques qui se sont succédés au pouvoir, ils ont bien tenu compte de cet aspect. Et je pense que cela a, contribué donc vraiment à, à calmer les choses et à ne donner aucune raison à quelqu'un de vouloir prendre les armes pour se faire entendre. y avait-il à l'époque une connexion entre les mouvements Toubou et les mouvements Touareg Ah, bien sûr, bien sûr. Ça, je vous disais que ça commençait au nord, donc dans la montagne. Les éléments du FDR étaient d'abord avec le commandant Rissa. <laughs> Et c'est après donc, euh, pour des raisons tactiques et pratiques, euh, les gens sont partis un peu du côté du lac Tchad. Donc, il y a une forte connexion et tout s'est fait ensemble. je pense que nous avons aussi des contacts des communications radio tous les jours. Et ici aussi, vraiment, au niveau du ACRP, donc euh, tout s'est fait ensemble. Donc, vraiment, je pense que, en tout cas, tout s'est fait dans la cohésion ensemble, au nord et à l'est. Monsieur le ministre Issa quels sont les efforts que vous déployez pour euh, une paix définitive euh, dans, l'Est du pays euh, allez, y monsieur le ministre Issa allez-y. Oui, Comme ça, il va répondre après. Oui, concernant votre dernière question, s'il y a-t-il de connexion entre les, frères Toubou et les frères Touareg Comme l'a dit le ministre Issalamine. Euh, les frères Toubou ont déjà d'abord combattu au nord, combattu euh, dans les fronts Touareg avant d'aller au lac Tchad. Et c'est même nous qui avons créé les conditions pour qu'ils aillent au lac Tchad, euh, ouvrir donc les fronts, créer les fronts, donc les, FDR, et déclencher la lutte armée là-bas. C'est nous qui les avons reçus. En venant de Libye, en venant d'un peu partout, nous les avons reçus. Ils ont combattu avec nous et c'est après qu'on a créé les conditions qu'ils aillent là-bas dans le lac Tchad. Donc la, connexion est très claire, comme il vous a dit que c'est des communautés qui étaient en marche et qui, étaient, euh, subissaient une certaine gouvernance qui était euh, rude et qui, qui ont dit à un moment donné, ça suffit. Donc, euh, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas que seulement le Toubou, il y a d'autres aussi communautés arabes, euh, Peuls, euh, donc Bororo, qui, étaient aussi avec nous. Quels sont vos efforts pour une paix définitive et durable dans l'Est Ces efforts, en tout cas, sont, des permanents depuis la signature des accords. Vous savez que dans une région, quand il y a eu des mouvements armés, un conflit, d'abord un conflit armé. Et après, suite à ce conflit armé, il y a eu des éléments, des milices armées qui sont venus se greffer. Et donc cela a créé un peu dans toutes ces régions, que ce soit au nord, que ce soit à l'est, donc euh, un, peu, un peu de désordre au niveau des, différentes communautés. Et vous savez que les accords ont permis des intégrations de certains éléments, mais ce n'est pas tout le monde à 100% de tous les combattants qui sont intégrés, il y a toujours certains qui sont qui n'ont pas pu être intégrés et qui sont donc restés dans leur village. Il y a d'autres bandits. Donc il y a toujours des, personnes, des éléments, des personnes armées incontrôlées qui sont toujours dans ces zones-là. Cela donc euh, a été géré par nous, les anciens donc, dirigeants de front pour qu'il n'y ait pas d'illusion, pour qu'on ne dise pas que voilà, vous avez signé les accords et vous continuez à faire de l'insécurité, ou alors qu'on dise que bon, on n'est pas à mesure de maîtriser euh, nos zones d'action. Donc, euh, pour cela, nous avons veillé euh, depuis la signature de ces accords jusqu'à même, disons, aujourd'hui, veiller à ce qu'il n'y ait pas, en tout cas, d'autres formes d'insécurité. À un moment, vous avez entendu parler d'insécurité l'insécurité résiduelle pendant longtemps. Mais dans certaines régions, par exemple dans, la zone du lac Tchad, il y a eu une tentative que moi personnellement, donc euh, en 2007, euh, je me suis déplacé pour aller faire en sorte de les désarmer et donc euh, qu'il y ait en tout cas la paix. Donc même l'insécurité résiduelle, d'une manière générale, à l'Est en tout cas, a euh, souffert beaucoup. Donc euh, nous avons œuvré avec en tout cas tous les systèmes en tout cas politiques qui étaient au pouvoir en place. Nous avons fait en sorte qu'il y ait la stabilité, la paix. Et, et Dieu merci, cela a été bien respecté. Madame Ibrahim Zara El Haj El Mamadou, quel rôle les femmes ont joué dans le cadre de la promotion de la paix pendant le conflit Pendant le conflit, euh, peut-être que <laughs> le rôle qu'elles ont joué là déjà, les deux ministres l'ont déjà évoqué parce que c'était réciproque. Maintenant, le rôle, c'est surtout après les accords que les femmes ont joué un rôle de consolidation de la paix et un rôle aussi de prévention. Parce que vous savez, tout ce qui touche l'homme, il touche à la femme. Et pendant les différents conflits, ce sont surtout les femmes qui ont souffert. Ce sont surtout les enfants qui ont souffert. Ce sont ces femmes-là qui ont perdu leur mari, ce sont ces femmes-là qui ont perdu leurs enfants, ce sont ces femmes qui se retrouvent avec la charge des enfants, qui se sont constituées en femmes pour la paix, en femmes pour prévenir les conflits, n'importe quel conflit, sous, toutes ces formes, et consolider la paix. Ça, c'est le rôle que les femmes ont joué. Madame Ibrahim Zara Elhaj El Mamadou, quel était l'impact de ces différentes rébellions pour le tourisme et l'artisanat féminin Pour le tourisme et l'artisanat féminin, l'impact il est négatif. Il est négatif parce que vous savez, Agadez, euh, je parle d'Agadez que je connais. Agadez, c'est une région dont l'économie a toujours alimentée par le tourisme. Le tourisme a toujours occupé les jeunes d'Agadez, il a occupé les femmes à travers l'artisanat. Chacun, en tout cas, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a les guides, les chauffeurs, les propriétaires des véhicules, les hôtelleries, tout le monde. Quoi. Mais avec euh, les différents, les, la première rébellion, ça a commencé à reculer, à reculer, à reculer. Il n'y avait pas de tourisme, il y avait l'insécurité, il y avait tous ces problèmes-là. Donc le tourisme n'étaient pas venu. Et c'était vraiment, je ne sais pas comment les dire, le, euh, le tourisme, c'est un impact négatif, c'est vraiment négatif. Et ça a été accentué par le fait qu'après la deuxième rébellion, il y a eu des actes isolés, il y a eu des actes de banditisme et il y a eu ce qui s'est passé à Arlit qui a amené Agadez à être déclaré comme zone rouge. Là, c'est devenu maintenant jusqu'ici. Il n'y a pas de touristes à Agadez qui, viennent à Agadez. Donc, euh, l'économie d'Agadez est tombée en bas. Il n'y a plus d'économie très Euh, les gens se sont retrouvés un peu dans la migration, beaucoup même. Ça aussi, euh, c'est une activité à double tranchant, c'est vrai. L'économie, c'est bien, mais ce qui est sûr, de l'autre côté, il y a aussi le trafic de tout, tout ça là est connecté à la migration. Donc vraiment, l'économie d'Agadez, ça ne va pas. Madame Ibrahim Zara El Haj El Mamadou, quels sont vos efforts pour euh, la promotion et euh, la préservation d'une paix durable et définitive dans la région d'Agadez Dans la région d'Agadez, nous, les femmes d'Agadez, en tant qu'association, en tant que mère, en tant qu'épouse, on s'était organisées pour pouvoir lutter contre toutes sortes de violences donc, on a, on a mené des campagnes de sensibilisation dans les villages, on les a amenés dans les, dans les communes, on est même parti jusqu'à vulgariser ce qu'on avait, il y avait un instrument, un ZAD, on est parti les vulgariser dans la commune rurale de Dana. Tout ça là, c'est pour revoir nos traditions ancestrales, nos anciennes traditions là, pour pouvoir lutter contre toutes sortes de, de conflits, de banditisme et tout ça là. Donc, nous avons fait projets, nous avons fait des sensibilisations, nous avons mené toute cette campagne-là. En plus, avec l'État aussi, on a procédé un peu, parce que nous avons dit que pour que la paix soit un peu solide, il faut qu'elle soit soutenue par un développement. Là aussi, on a fait les efforts, déplacement des, crédits, déplacement avec la haute autorité aussi, nous avons fini à faire des choses. En tout cas, c'est la sensibilisation et un peu la lutte contre la pauvreté et l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de certaines choses, on sait qu'il y a l'ignorance aussi qui joue beaucoup à notre défaveur. Madame, est-ce que vous êtes soutenue dans ces projets Bon, Dieu merci. En tout cas, nous avons le soutien des, autorités. Nous avons le soutien des autorités, à l'occurrence, par exemple, le gouvernorat. Nous avons aussi le soutien de la haute autorité. Nous avons le soutien de certains partenaires. Nous avons travaillé avec l'ISAID dans, la lutte contre l'extrémisme violent, à travers les PDF2, à travers le projet Aïr Azawa. Nous avons travaillé avec PCCN. Nous avons travaillé avec l'Union européenne. Nous avons, présentement même, nous avons des projets avec ECAP Savet. Nous, nous avons le soutien. Seulement, c'est que l'appel que nous avons toujours à, lancer dans ça, nous avons toujours dit, nous avons dit que pour qu'un développement soit réellement un développement, il faut que les gens se désengagent d'un certain comportement de clan. Il faut que les gens sachent que les, la population, là, dans son ensemble, et leurs administrés. ils ont droit au développement, ils ont droit à être aidés, ils ont droit à être soutenus. Pas seulement un ceci ou cela, vraiment là, je ne sais pas comment le dire. Nous, nous pensons que c'est la seule, euh, aujourd'hui, la seule arme que nous avons, c'est de sensibiliser les gens. La seule arme que nous avons, c'est de lutter contre la pauvreté. Et ça, pour le faire, il faut, que nos responsables soient au-dessus de la mêlée. Il faut qu'ils soient là pour toute la population. Qu'il n'y ait pas d'éclats, qu'il n'y ait pas d'éclats. Il ne faut pas que, le, une fois responsable est prisonnier d'un plan, c'est hein. ne, pourra pas faire. Et il nous faut un développement. Monsieur le ministre Rissak Boula, quels sont aujourd'hui vos efforts dans le cadre de la promotion de la paix dans la région d'Aga? les efforts, d'abord, c'est les applications de, différentes clauses des accords de paix. Je viens de dire que ça a été fait, en tout cas dans l'ensemble, ça a été fait et satisfaisant. Ça, c'est la, première euh, étape qu'il fallait de faire. La deuxième étape, évidemment, il faudra euh, une bonne gouvernance, et je crois que c'est le cas maintenant, et évidemment des actions de développement. Bon, euh, ça, c'est maintenant, c'est depuis, ça fait 24 ans. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et ça continue d'être fait. Et je pense qu'aujourd'hui, la meilleure manière de consolider cette paix et d'aller de l'avant, c'est vraiment de trouver, euh, de créer les conditions euh, d'emploi des jeunes. Il faut occuper cette jeunesse-là. Il faut l'occuper c'est vraiment la première euh, condition sine qua non, en tout cas, pour consolider davantage cette paix. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes entourés de, conflits partout, notre pays, et, ces conflits ont euh, des répercussions négatives sur nous. Donc, euh, il faudrait que nous ayons une jeunesse qui est occupée, qui travaille, qui, donc, qui participe au développement qui n'est pas dans l'oisivité et qui n'est pas attiré par ces appâts donc, des conflits qui nous entourent. Donc, pour, le, faire, il faut, du il faut du travail pour la jeunesse, il faut de l'emploi. C'est vraiment ma conviction. Est-ce que, est que la jeunesse est consciente de tous ces efforts-là au niveau de la région d'Agadez oui, la jeunesse, elle est consciente. Beaucoup d'efforts sont faits, euh, euh, beaucoup de choses sont faites. il y a beaucoup de ressources aussi euh, qui sont injectées dans la région. Et il y a beaucoup aussi donc, de conditions de travail. pas de conditions, il y a beaucoup d'offres de travail. Donc, nous avons dans cette région donc, les mines d'uranium. Nous avons maintenant l'or qui est découvert là-bas. Euh, donc euh, ça occupe une partie de la jeunesse. Mais il y a encore une jeunesse qui est là encore parce que quand vous parlez de la jeunesse, ce n'est pas seulement la jeunesse localement d'Agadez, c'est toute la jeunesse nigérienne qui va vers le nord chercher du travail, chercher donc euh, de l'emploi dans ces usines-là d'uranium et dans, dans leur paillage. Donc c'est toute la jeunesse nigérienne qui se retrouve là-bas et qui se mélange avec les, jeunes locaux qui sont là. Donc c'est celle-là qu'il faut prendre en charge. C'est la jeunesse nigérienne qu'il faut prendre prendre en charge là-bas. J'ai dit bien qu'aujourd'hui, certaines conditions sont réunies pour faire ça. Il y a, beaucoup de programmes qui sont, sont, en train d'être exécutés là-bas. C'est satisfaisant, mais il faut continuer à consolider ça. Salamine, euh, quels sont euh, les points euh, des accords qui ont trouvé des solutions et les avantages que ces points ont apportés en deux décennies On peut dire que tous les points prévus dans les accords ont trouvé des, solutions même si, comme l'a dit M. le ministre Rissa, donc même si ce n'est pas des solutions globales donc ça a été jugé acceptable pour pouvoir avancer et tourner la page. Donc d'abord, le fait de signer les accords, ces principes politiques est important parce que cela a permis d'arrêter les conflits armés, les conflits fratricides, qui non seulement des, victimes, mais aussi sur le plan économique, qui détruit donc euh, la zone de conflit. Ça a duré, en tout cas presque, le conflit a duré presque une décennie. Et cette décennie a été une décennie très longue, très meurtrière, très déstabilisante. Donc, ce sont ces accords-là, la signature des accords, qui ont permis donc d'arrêter tous ces problèmes. Maintenant, la mise en œuvre, c'est une toute autre chose. Ce qui est donner du contenu aux accords, aux différents points des accords, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile et tout naturellement, il y a des réticences, il y a des non-acceptations, il y a des prétextes. Ce n'est pas facile quoi, de mettre en œuvre les accords. Et ça n'a pas ça n'a pas du, ça n'est pas du tout allé comme sur des roulettes comme on dit. Il y a eu des périodes de blocage, et il y a eu des recours à la hiérarchie, il y a eu des patinages pendant des mois. Donc vraiment, euh, c'est des étapes, c'était vraiment, ça n'a pas été facile, mais Dieu merci. Et moi, je pense qu'en ce temps, il y avait le président Barré qui avait joué en tout cas un rôle important parce que c'était un chef militaire. Et quand il y a blocage, il donnait des ordres pour trancher. Cela a beaucoup facilité la mise en œuvre des accords. je pense que si ce n'était pas lui, en tout cas, il y a des fort doute de ne pouvoir pas avancer dans certaines circonstances. Donc vraiment, il a contribué à avancer, à faire accélérer, à débloquer certains points de blocage. Et il a eu la mise en œuvre, les intégrations dans le corps militaire, paramilitaire, il y a la pacification, il y a l'amnistie, et parce que là aussi, il, y a des, points importants à régler. Et heureusement, les magistrats ont accepté d'appliquer donc cette loi d'amnistie. Bon, maintenant, c'est qu'il faut se réjouir d'une manière générale. Les accords euh, ont été acceptés. C'était d'avoir des accords politiques qui ont été signés par donc, les euh, chefs d'État et donc à un haut niveau. Mais par la suite, malgré quelques réticences que je viens d'évoquer, d'une manière générale, en tout cas à tous les niveaux, euh, les acteurs ont on peut accompagner. On peut accompagner parce que vous savez, même s'il y a une loi d'amnistie, il faut que les juges acceptent d'appliquer littéralement cette loi d'amnistie pour que certaines personnes puissent être libérées, surtout les dossiers pendant qui sont liés au conflit et que par la suite, et que d'autres ne soient pas poursuivis. Parce que sinon, on va faire encore 10 ou 20 ans de procès ou autres. Donc, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a eu des échanges de prisonniers cette étape a été dépassée, les essais des prisonniers, c'était au moment des accords de paix. Donc il y a eu des libérations des prisonniers, disons, des gens qui étaient détenus, tout ça là, donc qu'il faut libérer. Et qu'il n'y ait pas d'autres poursuites, parce que vous savez que dans ce truc-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc vraiment tout cela a permis de stabiliser et chacun a joué correctement son rôle. Il y a eu les accords militaires, il y a les accords aussi dans les intégrations un peu dans l'administration, les anciens fonctionnaires qui ont quitté, qui ont pu reprendre leur travail et tout ça. Donc, euh, globalement, il y a un volet réinsertion socio-économique ou développement socio-économique des zones. Bon, c'est là où, en tout cas, compte tenu des, difficultés financières du pays, bon, c'est euh, resté un peu lettre morte. Mais bon, vraiment, d'une manière générale, quand on a la paix, et que si l'essentiel des autres points sont appliqués et acceptés, donc maintenant, pour ce qui est du développement, c'est le combat de tous les jours. Donc euh, chacun va, comme on dit, se débrouiller. <laughs> oui. Donc euh, vraiment, c'est pourquoi j'ai dit que tous les points sont appliqués de façon acceptable. En tout cas, pour ce qui est des premiers rébellions, vraiment, on peut considérer que la page est tournée. La page est tournée. Monsieur le ministre Rissa euh, quels sont euh, de votre côté les points des accords qui ont trouvé des solutions et les avantages que ces points ont apportés en deux décennies mais tous les points des accords ont trouvé des solutions. Je disais tantôt que euh, les accords ont été appliqués, les différentes clauses ont été appliquées dans, l'ensemble. Donc, que ce soit la décentralisation, euh, c'est tout le Niger qui en a bénéficié, c'est pas seulement les régions touchées par le conflit, c'est tout le Niger. Aujourd'hui, nous sommes dans euh, un, pays décentralisé. Nous avons donc des régions qui sont dirigées par des élus, nous avons des municipalités qui sont dirigées par des élus. Donc, c'est tout le Niger qui en a bénéficié. En 1995, il n'y a pas eu un seul maire élu. Un seul maire élu de, la décentralisation. C'est à partir des, accords de paix que cette, gouvernance a été euh, donc euh, mise dans les lois de la République et qu'elle a, a été appliquée. Euh, donc ça, c'est la, première chose. Je disais tantôt aussi, les, intégrations, il y en a eu. Il y a eu des milliers de, des ex-combattants ou des ressortissants des zones touchées par le conflit qui ont été intégrés dans les forces armées, dans la gendarmerie, dans la police, dans la garde, dans la douane, un peu partout. Donc c'est fini, ça, c'était intégré. Ils, sont, il y en a même aujourd'hui qui partent à la retraite. <laughs> Ça fait 25 ans qu'ils sont quand même pas là. Et, leur la réinsertion aussi, compte tenu des moyens de l'État, il y a eu des fonds qui ont été débloqués et les, ex-combattants qui n'ont pas été intégrés dans les corps habillés ont reçu donc des, euh, des péquiles euh, qui leur permettent donc de, de construire quelque chose. Donc tous les points des accords de paix dans l'ensemble ont été appliqués. Monsieur le ministre Rissagboula, est-ce qu'il y a des obstacles qui restent à franchir du euh, de votre côté Non, moi je pense qu'il faut vraiment tourner cette page-là. Il faut tourner, on ne doit plus parler d'obstacles. Il faut tourner cette page. Ça fait un quart de siècle, c'est fini maintenant, c'est fini. Allons de l'avant, créons les conditions pour qu'il n'y ait plus de retour à ça. C'est clair, c'est important. Maintenant, euh, je disais, la bataille aujourd'hui, notre bataille aujourd'hui, c'est de sauver le pays, parce que je vous ai dit qu'il y a des foyers de tensions dangereuses qui nous entourent. Au niveau de nos frontières. Au niveau de nos frontières, que ce soit au, Libye, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Nigeria, par le Boko Haram et tout ça. On ne doit plus s'amuser, on ne doit plus euh, se tirer entre nous. On doit faire face maintenant à, cet extérieur-là, à cette situation-là, pour sauver notre pays. Il de notre devoir de le faire. Donc c'est clair que c'est comme ça. Et je pense que les dirigeants, euh, la classe politique nigérienne, elle a bien compris le problème. Aujourd'hui, c'est le combat qui vaut la peine. Monsieur le ministre Issa Lamine, euh, dans le lac Tchad, sévit également Boko Haram, c'est une nouvelle forme de sécurité. Le ministre Issa l'a évoqué. Quel rôle vous, vous pouvez jouer dans le cadre du retour de la paix dans le lac Tchad comme j'avais dit tout à l'heure, donc la page de la rébellion est tournée. Donc, mais c'est une autre page encore qui s'ouvre liée à l'insécurité. Et cette, forme d'insécurité actuelle qui englobe presque tout le monde, le monde en général, est la forme la plus pernicieuse, la plus dangereuse. C'est cette insécurité liée à l'extrémisme religieux, très violent très meurtrier et, très dangereuse Et malheureusement, c'est quelque chose qui a une étendue énorme. ça savez, le lac Tchad et tout l'ouest, donc de la région, la région ouest, donc comme l'a dit tout à l'heure le ministre, la région la frontalière au Mali, au Burkina, donc c'est quelque chose en tout cas d'une très grande inquiétude d'une très grande inquiétude et vraiment on doit se mobiliser tous parce que là, individuellement, je ne peux pas dire que j'ai un, rôle particulier à, jouer ou en tout cas une solution à apporter à titre individuel, mais donc vraiment c'est le rôle que tout citoyen doit jouer et ça doit nécessiter une large mobilisation, une large concertation, aussi bien des ressortissants des différentes euh, régions concernées. Parce que là, on ne peut pas dire qu'il y a une région qui est concernée, parce que la chose n'est pas figée, ça peut évoluer, ça peut aller euh, d'une région à une autre. Donc, on peut dire qu'il faut une forte mobilisation par rapport à ce type de conflit. Sinon, il risque d'être durable et très ruinable pour notre pays. Donc, euh, vraiment, il n'y a, pas un rôle qu'un individu doit jouer mais c'est le, rôle que tous les individus, tous les Nigériens doivent jouer ensemble, de concert donc avec euh, nos dirigeants, créer en tout cas mobiliser tous les citoyens autour donc euh, euh, du patriotisme, du sentiment de combattre vraiment suffisamment ce fléau pour pouvoir penser en tout cas à, autre chose. Madame Ibrahim Zara El El Mamadou, euh, comment la femme euh, contribue aujourd'hui à la prévention des crises et conflits au Niger Merci. Euh, d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler à Rissa que nous, les femmes, qu'ils connaissent, elles sont là, elles attendent encore. <laughs> Donc, on ne peut pas tourner la page sans parler des femmes. Et les femmes continuent toujours à à la paix. Nous, voilà ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'il y a des femmes qui ont souffert dans la rébellion, mais en contrepartie, il y a des femmes. Donc aujourd'hui, ce qui est là pour que les femmes souffrent, c'est surtout la consolidation de la paix. Nous sommes là pour la consolidation de la paix et la prévention des conflits sous toutes leurs formes. Et nous avons dit qu'à un moment donné, il faut que la population d'Agadez la population du Niger dans son ensemble soit conscientisée par rapport au problème que, le ministre Risse vient d'évoquer. Les foyers de tension qui nous entourent un peu partout. Donc il faut que nous, au niveau du Niger, qu'on sache que ça, là, ça peut venir chez nous. Ça peut arriver à n'importe quel moment. surtout que nous avons des enfants, nous avons des jeunes qui sont là, qui ne font rien et qui savent manipuler les armes. Donc c'est un danger. Il faut que ces jeunes-là soient occupés. Ça, c'est la première stratégie. Il faut occuper les jeunes. Il faut aussi euh, faut faire en sorte aussi que les femmes soient aussi responsabilisées. Il faut qu'elles soient soutenues. Il faut qu'elles soient aidées dans leurs recherches de consolidation et de prévention de ces conflits. Dieu merci, c'est vrai, nous avons le soutien de notre État. Nous avons le soutien de certains des partenaires. Mais le soutien de l'État a toujours besoin d'être augmenté et ça doit être à tous les niveaux. Donc, euh, vraiment, notre stratégie, c'est comme je l'ai dit, c'est la lutte contre l'ignorance, c'est la lutte contre la pauvreté, et ça, là, nous le faisons à travers des sensibilisations. Nous le faisons à travers des conférences. Présentement, nous avons des projets avec ECAP euh, sur euh, la traite des enfants. Là aussi, nous sommes en train de, former des femmes leaders de la région d'Agadez, de toutes les communes d'ailleurs, qui après serviront des relais pour sensibiliser leurs enfants, pour sensibiliser, sensibiliser leurs maris, leurs frères et tous les quartiers d'ailleurs. Donc, euh, c'est vraiment notre stratégie. Que les femmes leaders servent des relais. Que les femmes leaders essayent de combattre ces phénomènes avant qu'ils n'arrivent chez nous. Et pour ça, il faut conscientiser tous les Nigériens. Monsieur le ministre Rissa Gaboula, quelle est l'utilité de la célébration du 24 avril à Kintbraden euh, Qu'est-ce que euh, cela apporte au Niger et à son peuple D'abord, euh, le 24 avril a été donc décidé par la nation nigérienne comme étant une fête nationale de la Concorde. Ça a été le, législateur donc a pris après ça, euh, comme loi, donc, euh, ériger cette journée du 24 avril comme euh, fête nationale et qui doit être donc célébrée chaque année. sous la 7e République, donc aujourd'hui, il a été décidé donc de la fêter sur le plan national, mais plus particulièrement à Tintabaraden, pour marquer euh, un accent particulier de cette ville de Tintabaraden. Pourquoi la particularité de la ville de, que la, la, révolte des Touaregs est partie de Tintabaraden Les premiers coups de feu En 1985. Donc c'est parti de ça. Euh, euh, le sabre, qui est le symbole donc, du conflit, a été enterré à Tintabaraden. Donc, euh, c'était pour marquer ça, c'était pour rappeler aux Nigériens ça, qu'un accent est mis particulièrement sur la ville de Kentavaren euh, à chaque célébration du 24 avril euh, de la fête de la Concorde. Donc, euh, et on va là-bas sous le patronage du gouvernement euh, cette année, ça a été le Premier ministre et, et avec donc euh, l'encadrement de la haute autorité à la conception de la paix qui organise un forum, un dialogue avec la, population, avec la jeunesse et tout ça pour cette journée-là. C'est important et ça rappelle aux gens ce qui s'est passé et ça rappelle, euh, ça incite les gens à ne plus revenir là-dessus. C'est très important comme rencontre et tout ça. Et, c'est un symbole qui est et euh, tout est parti de là. Et on est revenu à là pour enterrer les sabres de la paix là-bas. Donc, euh, euh, je trouve que c'est important que. qu'on retourne chaque fois là-bas et qu'on marque quelque chose pour la concorde là-bas. Monsieur le ministre Issa quels sont vos conseils ou recommandations pour une paix durable au Niger Pour qu'il y ait la paix, vous savez, ce qui amène le plus souvent les problèmes jusqu'à des révoltes armées. Certains disent souvent c'est la pauvreté. C'est vrai, la pauvreté, c'est un terrain fertile pour l'insécurité, mais c'est beaucoup plus l'injustice. C'est beaucoup plus l'injustice dans un climat de pauvreté qui fait que souvent il y a des, des conflits armés. Mais le moteur principal, c'est l'injustice, toutes les formes d'injustice. Donc là, moi je pense que nous, au Niger, nous avons une belle expérience de gestion de conflits, parce que nous avons fait face à un conflit armé que nous avons pu gérer de bout en bout et que nous continuons, en tout cas euh, depuis 24 ans chaque année, de se remémorer et en faire en sorte d'en parler pour que des choses comme ça ne se répètent pas. Donc le fait de commémorer chaque année le 24 avril, à cette occasion, donc on profite pour parler, pour sensibiliser, parce qu'il y a beaucoup qui, qui sont eux-mêmes après le 24 avril 1995. Donc il faut les rappeler, voilà, les conséquences d'un conflit, voilà, voilà, voilà. Et à l'occasion, peut-être euh, parler un peu aussi des différents types de conflits. Donc, et pour cela, le Niger a créé une institution qu'on a appelée euh, la haute autorité à la consolidation de la paix. Au début, c'était la restauration de la paix, le haut commissariat à la restauration de la paix. Et après, maintenant, on a créer la haute autorité à la consolidation, donc qui fait de la prévention des conflits. Donc je pense que souvent nos dirigeants le disent, il n'y a pas de développement sans la paix. Et tous ceux qui ont vécu dans des régions où il y a eu une forte insécurité savent que euh, la paix n'a pas de prix. Quand on réclame des choses, quand quelqu'un demande, de cherche un puits, quand il demande euh, une infrastructure, en tout cas sociale, dans son village, quand il réclame telle chose, telle chose, c'est quand il est en paix. S'il n'est pas en paix, il n'a pas, <laughs> n'a pas le temps de réclamer quelque chose. Donc aujourd'hui, par exemple, dans la région des Difa, avec Boko Haram qu'on avait évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de villages, tous les villages, en tout cas, du site de, la région des Difa, ont quitté. Tous les gens ont quitté leur village. Ils ont abandonné toutes les infrastructures, tous les conforts qu'ils ont dans leur village, dans leur, tout pour être au bord de la route, sous des arbres, avec les familles entières, avec le vent, la chaleur et tout. Donc, ils ne peuvent pas retourner dans leur village. Ils ont tout là-bas. Ils ont des forages, ils ont des puits, ils ont des classes, ils ont des machins, ils ont des, des, des, des maisons bien construites. Tout ça, là, ils ne peuvent pas aller aujourd'hui y loger. Donc, euh, la paix n'a pas de prix et chacun doit œuvrer pour qu'il, en tout cas. Et là, nous devons euh, nous inspirer de notre expérience au moment des applications des accords de paix, il y a les causes des conflits qui ont été répertoriées. Et tous ces documents, nous avons une forte documentation qui est dans les archives du Haut Commissariat à la Restauration, l'ancien Haut Commissariat à la Restauration de la paix. donc je pense que tout ça là, ça doit être mis en contribution pour prévenir le conflit à tous les niveaux. Voilà, la paix n'est pas un vain mais plutôt un comportement. Autrement dit, la paix ne se limite pas à de simples et vaines déclarations d'intention, mais elle doit se concrétiser dans le comportement quotidien de l'individu. L'auteur de ces propos devenus désormais célèbres et qui sonne aujourd'hui comme un avertissement, sinon une leçon de morale dans l'esprit des Ivoiriens, n'est autre que le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Félix Oufoué Boigny. Nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Rissa Agboula, ancien chef rebelle, à l'un des artisans de la signature des accords de paix, Issa Lamine, ancien chef rebelle du côté du sud du Niger, et Madame Ibrahim Zara Elhaj El Mahamadou dite Alitan, ancienne maire de la commune d'Agadez et présidente de l'association des femmes nigériennes contre la guerre. Nous avons également invité la haute autorité à la consolidation de la paix, mais malheureusement aucun représentant n'a pu participer à ce forum. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.